jeunes, vous êtes sur euh, tous à la FADA, votre magazine hebdomadaire consacré au quotidien de la jeunesse. Karanginganga Radio, Wetakin, Iyebon, Kingan, Studio Kalangugoy, Cherkambok, Cherkambara, Niger Kura, Hunkuna Fada, Aïsalamot Kadiri, Aïnogatonan darondo. Cette semaine, nous allons parler du féminisme au Niger. Maintenant, Weboreo, Igona, Kingaywana, Tangamoteda. Au Niger, depuis plusieurs années, le féminisme gagne du terrain. À quoi cela est dû? Vous allez le savoir. Dangamatakan, satabo Gona, Tangamda, Webora, Alha, Akay Sambou, Silman Kaina Danga, ONG FAD, Femmes Action et Développement, qui donne des formations en leadership pour les jeunes filles afin de les permettre de redresser la barre et que la femme puisse pleinement jouir de ses droits. L'article 4 de la loi sur le quota stipule que, Watkan Kinse Ibon Gihino iguna ga boren sambu hino maga la proportion des personnes de l'un ou de l'autre sexe ne doit pas être inférieure à 25% danga zongo bon di sambu waran kacin ya di mon mo iga ijuke dans cette émission, nous allons voir comment les structures défendent les droits des femmes et des filles. Ce qui a été fait, de Ifonobe Chindimite, de Moyeno Himgate. Comment les jeunes filles mènent leur lutte, Wone notre Hunkun Fakara, Irgona Gate Mokne, Worompo et Gadafawa, Yantala Kurara. Wadi Magasede Irnoborium Burnyaranse, Irgonda, Moymoun Garba, ambassadrice Rezayen, Irgonda Wasila Ibrahim, le nigérien jeune fille leader, Irgonda Rachida Buzo, cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Tous à la FADA, nous sommes parti pour 35 minutes kan irga salanga yeti charmera irga hangan boriense irgir wana musique yandang on terminera avec la chronique hebdomadaire d'Olivier kuma la jeune fille leur lit woni no tur hun kun sanni nyon kan irgu waran se botu mais halba irgu furir fakara irgaran nan ar mahangan ma ifone kir sabo Je pense que le féminisme, c'est vrai, c'est un mouvement qui a cours un peu partout en Afrique, même au Niger. C'est vrai, à un moment donné, toutes les organisations de la promotion et de défense des intérêts et des droits des femmes se réservent l'idée de dire qu'elles sont féministes. Elles se disent qu'elles sont des organisations, c'est-à-dire des défenses des droits des femmes, mais Maintenant, de plus en plus, il y a ce mouvement. Donc, euh, la différence qu'il peut y avoir entre ce qui se disent euh, organisation des droits des femmes et les féministes, c'est que les féministes soient radicales dans leur expression, dans la façon dont ils voient les problèmes, de la façon dont ils traitent les problèmes. Euh, la L'avis que j'ai, c'est que d'abord, ce sont des, les organisations qui se disent féministes, ce sont des organisations qui sont radicales, qui tirent vers leur façon de voir, leur façon de poser les débats et leur façon de condamnation, c'est-à-dire sur un modèle qui est totalement calqué du modèle occidental. La cause euh, de leur combat, euh, ils disent que c'est pour combattre les injustices que subissent les femmes. Ce sont un certain nombre de problèmes qu'elles essaient de mettre sur la table pour dire que ce sont ça les problèmes des femmes et c'est autour de ça. Les religieux combattent par exemple les injustices faites aux femmes. Combattre toute injustice est une cause noble. Maintenant, ça dépend quels sont les moyens qu'on met en avant pour combattre. Est-ce que c'est des moyens qui sont de nature à apporter les changements S'il s'agit de combattre pour combattre et qu'on n'est même pas entendu, ces problématique. Eh, <laughs> sani sun tinare agi be faman dikan ir er niger wora han fan dine feminism har gina dai kanga ka ibon wora gano kati wai bariyan no kan ine inga iwo tanga mo kanga iwo gte albora ini ngai binga im tanga tanga mo ki iwo gte mo isi ce kalim wai bar jarai turandi ga ka fonda hannara ai ba mo borai din im faham kan ir feminismo kan ir gogite ir wo ir na adapte no ir context ora zama ir niger labo ir Al isi mi chare ir niger labo asingi man da france labo ir Al ik Fayenka. ya dinga feminismo ki gote no din hare inga ne wono ay gine no ka fayan ka gira halwanti moso isi hin gite mo afo zamu ba tirano no arang di hali ga sam nangu fo digi bi mu kandar Niger labo ora kada di koy da assembly ma gun gidi ifo no ga de ir Niger labo na mai ifo no ga de ir mite ir Niger labo ora kan sir na mai tanga masi darandi ir mate ya ga irwo wo wa kai irgo te irman ne kan irgo go ko piano tak tak tak tak tak o kan go tara iri kan da ne kalaran mate ne o jar la bora jar wo kan aga hagunda ingi nir go te kan gina iri nyangai iri kainai iri bere kan go hal hal hal hal hal langu moro ai mine da kan go hal bilmu bumbo da kwarara ingai alhakai iri mita mi no ise zamse ir an duniya wa kara irgo wai borai da alborai charban da naga himan da imu gwai imu kwai da charkan bara kan gina imu kwai da abojina zamine kan bufo sinyun kan bihin ka daino gicar ir kan bai car no irgi hinga koy di labo wadi jima ir mu kai ir mu chardi ir bu da carfe da den ya har kai mu dubete to abo dai na son wasila ni se ngir goga hanga ni moyi fono ni ga ir se aruso kan sal ngir se sonda bi fono ni di a wana yan wanda zage ha ai goki ha haifo ne wai gaba im korije a san nora da ga salan wo bor mu wo kan bore kifa on se dit pas féministe. On est féministe. Amason, sohon, nangu fo kan, ay yarda bananta sanno kan aci ga bananta da bai borsu ka gan ga haipul gine borasin da kimi wala haifo ya ne là où il a parlé des causes voilà. et là où il a parlé de féminisme radical c'est une réalité il y a aujourd'hui des femmes leaders irgin boriyan gonu woy boriyan kan borai ni no amana borai yerdiga on connaît qui font la promotion du féminisme radical. Le féminisme radical, c'est quoi? On copier-coller. On a imkanda nango imene a a haikul sai ni ga teda kun dinga ba im hangan ni sai dan lo respect nin no ga jingir bon o gis ganda bora ba bora man ba mata kan beren din da wala agini beren berendi wai hun kun mai no ga ba wai za zanu go biskura ran mun hay boro a sinda lakkal boro sinda alhali boro sinda da yakin mai no ga ba borai dunduma ya dinga irsigi wai borai da wanda gi bon ai bare au contraire irwo irgo gi fahamandi no niw niwo wai borno quelle que soit la religion tu as une place. Peu importe la religion, la race, ta nature, eh, ni la couleur, tu as une place qui est très importante dans la société. Quand ce n'est même pas à négocier, tu ne dois même pas négocier ça. Et il faut que tu connaisses tes droits. Dirga ba irmir ize tarbiya. Dirga ba ir wona société mu koy de gina. Il faut que we bore dinga bon. D'abord, il me bay ngay wo mayanno. ifo no Il ifo no dite ise lalle ininga alhakai mo bai to abori dai no so so ngo irgu furir wan haya ngaira irgu sintinda si kwalo feminism sandai fodu mano gona gi batu wala defiye kan gona gi batu ir Niger labora wadin notir wana hayan sintina kan bon irgu sintin gisalan ayi da wasila yawa feminism ngono kiti tout simplement bor minga bombay bor minga droit bay bor mo bay mo de bor ni talite yakin no gadir borbon feminism ngono kati bor mu bai kan non seulement ni gwanda gabi ni gwanda inti kan ganan ni muka ni misalan da nongo dorin doringa ni maki borai mu makan nongo go doringa ni mudugudu safaro ni ma baran da tarbiya hannu kan hunkuna su babadi ne hawaina borkul sino dai inin ke ni muka garo pondro onon du Niger wala haifu akini wallahi haikul kan alborgi hingaci ni wani gihin gaki ko ni borakulo ga ganda kar igama kani lalle ele Nigerien ou bien ele de telle nationalité

aranga saba afallonka o oh, irga saba da boro da mudu nirmu da mudu hawga te yan kware zono zama iro sin tanar wagin imam fame so ho kai hawga te yan kware zono les zom wani entera hinno igo gabato zama du moment où la fam. an haibo bayan bai to albaruwo aga gaba ma da bari orka hi gaira i ne nugo ga izuwa ni samba mu kai ga da bari ina muka gin ga aran mu goro zama hun kunni gin ga tibi ko wayo dasin da sawara kan ginnu mutunan ga fatara hmm? alburen gwon mo kai banga te kore yan gay kwara pour eux de no higi wal mo gonda ne nin wani bora kul monopolize haya kulwin dora nin noga ci mu ma nin noga ne a a astiya dini zama ai wa kai kan na chow même notre prophète n'a pas vécu comme ça quoi da sallallahu alaihi wasallam ka goron dinga wande a chaque fois de sandai frasi il fait appel aux femmes a wai borera a gwanda kai gano sawara Khadija zama elle est plus âgée que lui a gwanda wanda ramu burkan anano presque a bayan Kul, Aisha presque tous les hadiths du prophète, elle a rapporté plus de hadiths de prophète. Et prophète Bouyon Bandamo, c'est elle qui transmet ce savoir. les Misali ga webore wo, hadde webor da albor istigo gor charbandi, gacar dori bai, gacar kani bai, mato no andunya ke yada. Wune kirsin ga te frontier mini albore kan wani ya webore kan ne webore ne ya ne ara e kenan im ka gor ga hangantar se. Im ka gor ga hangantar se. Hayo kirgo ku gaci. Manci wai maze irin bis albore haifun a ah, irwo bani gora dindo irga ba. Danga im fa

comment sont aperçus les féministes. Son Rachida ni senirgo hangan. <laughs> Fanda une société au kara ergo son. Hada ine bara féministe. Kulu sanda ina tikai zafo kwala aga kan sabkan. Borno kan ago tangam no alborai borno kan won kul kan ago gti. wala go go alborai na go ga wala go wai warai turan dino alborai <laughs> ga wala sila matara afudai oh alors que matkai na ci da no honda kan bihin kano charnyo ifo no iri wo irni matakan alborai da dama ima goiwa ne sambu ima da, ima woiborai mu no dama im goyo sambu ngai mu im chabaka ngai gehen irin man ne kan goyai do harai im ne kan woiborai imi sambu ga bisa alborai ha'a irwo waibora kan gonda berai sanda a gonda kapasite kan gihin ga goyo assume ima no fonda kan ga goyo dini amma san ba ma asini wai bor da fatta ko yin goyo do amma bai kan a goyo bon nago a goyo bon mu bor fosika amma cin mutunci bor fosika a goyora amma kaina wala mu manke a sai do respect ya ni ga da ka an ga kwaran mu amma bai kan funin ga ka bora ga no kan dinga ni go bora gore ya ni ban bantinika a ni mkati ban ta kuwa nim kuwa ine bora kulum char beren no ka irmu goro manti ka irmu don da charno irmu char beren kangana ir hayyan kan irga hay ir koy ngaga imite bori yankan igonde tarbiya hanno igonde biri mai Hano. zama idin ka windira nya kuwa baba kuwa <laughs> tarbiya fodu ma zankano to ya dini ga wodini ma maga senir ba borai ir lakkalai ir mukandai char bandi imir no ir kulu irmu du dama kan matkan ni ekol du berai ni makaranta gudu berai bera din koi duwani kanda ni an dunyi bafunara amin nafa amu borai mo kan nin dai goga bafunai amin nafa mene da ama al'umma mo al'umma nafa to halaka son maintenant nous allons écouter cette question qui nous vient d'un auditeur de Saï la question ici que j'aimerais poser à ces femmes là pourquoi elles veulent coûte que coûte aller à l'encontre des lois islamiques et je demande aussi si ce n'est pas les Blancs qui le financent pour venir nous semer des désordres dans notre société musulmane. Et e ani ONG ngon kayen go galice contre les violences. Violence bien violence ganda. Sursu kan se bore wanji gana im alhakaino charsi. Violence au sursu no Ça Zama je suis sûr que albor inga no ma zai fahamai go wando ndu wando gamaga agogo wando no alhakumat ka kamata da violence kun shigar a gaba mu kano din mi albarka ne dai kan ba san bugu wai barkar kenan alhakukin do tamiyan wai zo kika je go tangam cinin da zari bore kan yan sai goga tanga mote di man yarda ina accepte ibar mai haya su nan kulfa zama iga fayda do musalan hawora o wa kwai irma aka saban da waibore indir bon ir gondir bon tale albore dinga bon gonda ta zama ne waibore dinga bon inga gwanda tale tu refuses de croire digo sala igo ga waibore durai defendre kul nin noge kuma banda ga borai wau kayan ce e da buna ka agudunin kai wal mo alboranin din bon moni moni a imsu waibore fahamandi imsu waibore bon ga feri da ka ga de ne ni se e dolingo conséquence ni do haré mo nanku mais hay kan ara mo be har mo to gamara ara digu digo ku ga digo wur ga diga aman hagu aman te zama hay kulora salanga viet kermera aga famandi akatamo lakal kanai On continue avec nos questionnaires jusque-là. Quelles sont les politiques mises en place euh, pour aller vers une égalité des sexes Voici là, Irgo Hanganesi. Oui, on a la politique. Politique mise en place. Politique basuba. Il mettre en place mai tanke borai man borai man kerno kera ala hakoy borai gidi gisalan dai no hawora aran daran vous avez parlé du quota de 25% aujourd'hui au niveau de l'assemblée goibo brazani dit y envoyé une hayo de candidature ganda il est toujours écrit la, les candidatures féminines sont vivement encouragées tomame il y a des politiques mais hunkura goibore dingay bon iga hamburu iga hamburi man yar dingay bonga ga hangar bareke gine a ah, wane ni gihin wane ni sihin boro nin din ba furano mai no gin ka ngene se wane no ni gihin wane no ni sihin alor ke ni man kai gin bolla sabu gine ni bon se a ah, a ah, fi sibirillahi ai wo ai bayyan woga wane wo na te ai gihina wane wo ai sihina har lalano ni wani gi bai ka ni ka feminism no ya min bon chabjina min bon chabjina bon si borfoyan yamar hanni koyga borfoyan yamar hey ifo to borfo ni izai bo hanni gi kebe hunkuna ir problemu education do hara wallahi ir tarbiya da irin yangai wanai iman tafu c'est carrément différent zama hunkuna les gens sont contre les gens bore diga kyar tangam nga mo manti ba haifo hanno manta haifo na fantabo bore su kai ga hangan kersi tu prends l'education zankai tarbiya manti yangai no gogi no tarbiya manti ba no gogi no tarbiya hunkuna hunkun tele da réseaux sociaux tele rano ni gama annasarai nga wo sinema no bobor fono ka gorga haya ala sabu am problème créer am solution wote amma ni san kakan gogu ne ni gama amne papa arrête tes conneries <laughs> ton enfant écoute ça nam thématique alors si ta femme n'est pas assez éduquée pour savoir ah voici les chaînes que ayi hingana ayi izo mugune ba de izo no chaîne wogune ai mu ka goran da ai ma fahaman di a ah, ya kin no gote ngai wo ilabora voici la différence nongo mo voici la différence me haikul kan no nya da ba bo ni mu ga berendi munan da mizo iber no ikaini no ni mu ga berendi koina haikul lakkal kane no ga kan da arma faham kersi gan ga bai sukan na haya to duwai borawo ni man nan amokoy atelier de sensibilisation formation de forum yan mo nin dimbon ni ne tali gaga d'accord tali gaga kan su kanin sai wala suke ni ka goran da aran mu faka ne filana talo kan da ya kinno ni gote na kinno ni gote okay amana hangan ni se wala aran da mondu ga faham da kere koi keki fonde yan gona hunkuni bor yan gona kan bora ga hangani se koi keki nin din bon fonda kan nigi hinga and script am koi ga bayra keki amma mun tidi ka goro hey gune ai no tin filana ai no go gini mai ya dinga yakin no ni gote hariwo dinga ba bora mu gana fonda kan ni gaba kanda da lakkalo amma fahamin ga bonse a a visa ya ki no wane ga goi amma fon fondo wane rawo wane wo mun kamata ya ringa ai ai mu ga hayo barme amma ganda ga bai sa haya ganda ga bai si hay kulte et envoyez vos commentaires au 8006 88 54 pour réagir sur cette émission tous à la fada maintenant nous allons écouter la rubrique artiste exprime woni ngamo dondi ingano ga tonan dirdo Ladies and gentlemen, nous recevons une fois de plus le beatmaker Nicky Larson. Nous recevons une fois de plus le musicien Nicky Larson pour parler de ses œuvres artistiques, pour parler de ses collaborations avec les artistes nigériens et d'autres aussi artistes connus à travers le monde. Nick, on the beat, Dondi, on the track. Je te souhaite <laughs> la bienvenue sur l'émission tout ça à la fada, l'artiste s'exprime. Nick, ça va, tu vas bien Oui, ça va, super. Hier, on a déjà promis aux jeunes, ou bien on a promis à tous ceux qui kiffent cette émission qu'on va revenir le dimanche pour parler un peu, euh, n'est-ce pas, euh, de tout ce que tu as eu à composer. Bon, pas tout, c'est trop, c'est trop dit. Beaucoup, hein. Mais surtout tes collaborations avec, euh, bien évidemment, les artistes Tu dis que c'est beaucoup Ouais, c'est beaucoup. Tu as une idée de ce que tu as fait déjà comme beat C'est beaucoup, hein. Juste une idée, juste une idée. Les instrus seuls, je les crois. Seuls. J'ai dépassé la barre des, 7000. 7000 hein. instruits. Ouais. <laughs> Depuis que je fais des mots, j'ai dépassé les 7000 instruits. Ah, depuis tes 5 ans jusqu'à aujourd'hui ben ouais, bon, il faut dire que j'ai réellement commencé le beatmaking euh, quand j'ai fini mon, mon BEPC, mon brevet d'études de premier cycle. Ah ouais Ouais. On est, dans les années 98 là, 98, 99, 2000. Wow. Ouais. <laughs> C'est fou ça. Et tu travailles quoi le premier logiciel que tu as commencé à toucher, c'est quoi Bon, c'était un logiciel de rien du tout, hein, euh, en ville studio, un logiciel, à séquenceur, MIDI. Ok. Et il euh, faut dire qu'à l'époque, je savais pas trop euh, que les midi, il fallait un clavier. Donc j'ai tout composé à la souris. D'accord. Et on m'a dit aussi que tu touches à tout, guitare, djembé, danse, euh, tout ça. <laughs> Explique-moi un peu. Alors je ne vais pas avoir la prétention de me mesurer aux professionnels de chaque instrument. Mais il faut dire qu'à l'origine, je suis, je fais un peu de piano, je suis batteur. mais tout ce qui est percussion traditionnelle, j'arrive à y jouer aisément. D'accord. Parlons un peu de, vos, de tes productions avec les artistes nigériens. Voilà, ben, j'ai quasi produit la totalité des sons de Al Ok. À partir de, des derniers sons qu'il a eu avec euh, Nouvelle Donne déjà. À partir de là, toute notre collaboration a continué jusqu'à aujourd'hui. Ok. J'ai travaillé avec euh, j'ai travaillé avec euh, Safia, qui j'ai travaillé aussi euh, avec MDM. MDM, tous tout, albums, leur album, leur double album qu'ils sont en train de faire. j'ai, eu, j'ai eu, la chance d'être. Voilà, j'ai travaillé aussi avec Philo de Hard Disk. J'ai travaillé avec plein d'autres gars. Ils sont tellement nombreux. Je, je Ici au Niger seul. Hein. Ok, d'accord. est-ce qu'on peut aussi avoir Un autre artiste de renommée internationale avec lequel tu as travaillé, que ce soit ici au Bénin, au Burkina, en Afrique, aux États-Unis, juste un ou deux euh, J'ai eu la chance de travailler avec Smarty. Smarty. J'ai travaillé avec le Yellen d'ailleurs. J'ai travaillé avec le Yellen j'ai travaillé avec Nix. Nix. Du Sénégal. Du Sénégal. Voilà, j'ai eu cette chance-là. J'ai travaillé aussi. Euh, avec euh, des artistes français. Ok. C'est, il faut dire qu'on est on est en cours. on a un projet avec Weshden de la France. Euh, on est toujours en train. Non, je suis pas censé dire ça. Super. <laughs> Il y a plein d'autres artistes aussi aux États-Unis avec lesquels je travaille en ce moment. Les Nick, en un mot, est mondialement mondialisé. Nick a travaillé donc <laughs> euh, avec tout le monde. Ladies and gentlemen, nous sommes à la fin de cette deuxième partie. un compte YouTube, comment te retrouver, un numéro de téléphone, en tout cas, euh, quelque chose qui va permettre aux artistes de te retrouver parce que c'est de ça là aussi qu'il s'agit, ouais. Nick. Ben, j'ai un Instagram. Insta. Nicky Larson euh, officiel. Euh, j'ai euh, un Facebook, Nick Larson Beatmaker, sur lequel on peut me voir même en, live, en direct. Je fais des directs ou je fais des, beats en direct. <laughs> Ainsi parle donc Nicky Larson. Ouais. Merci, Nick on the Beats. Merci à toi, Dondi. D'être passé au studio. Merci. Hey. Hey. <laughs> arma don di artist exprime mo songo irgo ko dir fakara di gina nyongo kirgo wa on kun botu kati comment ces jeunes filles mènent leur lutte c'est notre thème du jour pour ceux qui viennent de nous prendre en cours pour en parler nous sommes avec euh, Maimouna Garba ambassadrice euh, résaïenne nous sommes avec euh, Wassila Ibrahim Selul, nigérien, jeune fille leader. de mon Rwanda, Rachida Buzo, cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Nous continuons avec nos questionnaires, chers invités. Quelles sont les actions que vous menez pour garantir le droit des femmes au Niger Et Maimouna, on vous écoute. Lutte fonor gog mene im droidente. Lutte irgaga chini de zari. Mazebar kongo tourno. Nankangyo les fagis hanige ka feri. Mangano haya kwedi ah, chini. tire wasu ba ka dai ban wa moro iga koyi iga ka iga koyi iga ka sanni folon kano, sanni follon kano irwo ir problem follon ka alboreno im kai ga faham ifo sai nirgo ga tankam wai bore inga mo im bai kan bore kan ya mu kurnye ina ne yaran ka ina ron no dro arno imagno modelo kan gana subu bor foma ne aha wiza yawo mun chadu no bore mbugo da talifa kai na kan yan yarda inir no yarda irin mu koi irin mir wani murada ite irin mu yarda da akamata irin ma sambun da kan bahinka irma mace ba andu dunya sai kan cewa yan nom a nor or jaman ne gina wa fa bai gara a nor kan dinga a gani a tubari kalla ai man te don dai bai zan filano wo kai go mi man ta dino me ni mo ki tun gino yarda ne ga ta am koi ni irka ino dama irin kokar gano example hanna wa kai ya ingai mun fam har kasuwa mu ce ci ga faham rashida ni gwanda tonton kan ni ga cirsa wani tuyan wo to lai an sani bo ba kulci

gano ni ko bara wadin seno ni wodin ka ni almiyalora ni kurni seno ni kaga cabakan ni wo dama ni chaunin ni na haifo baida ine jama'a misalan ga saba irmi charberan dini ne har bobo no gona kan Da irga faham da chare zama ba nya da izanu ni ga bai kan dini wo kanti izo ni ne kan daga salan wata kulu ni si hangana sai ni si bondu masi ni ga bai kan aran bafuna a stege bo aran aran si faham da chare aran si faham da chare hay bobu no gona kan irgi gite. kan gana nanadi ni bor kwar wono nimu duwa nanadi ni nimu duga gayi ban bantini hinna ma ga sebo ni chalo wayi bor jare. ir son da bara kan salan ane je bobu gon kan gogi tangam wayi bare alhakai imdu wayi bon ine kan bukun futai kan wayi bare igite ise aran bay kon kan bukun futai ak bagumu bor ya igi karnu bor ya banti igi karnu bu bantin tai se talihin kuna to hinkul fa jina yoro ay sinu aga fatanda mina travailler ma moralement moralement te trois semaines ninda go fuora din hina sunga asihan asahan asisalen nise asisalen nise ilar ni kan ban to wadi niyan kulu duk bora igi salan giye charmera ni di har yanno kan igudu ise bonza halbanti moso son yur kodir wana hayan ay di jine pensez vous que ce système de quota rend service à la femme wasila tirgo hanganisi Ah, rendre service à la femme. Peu importe le système de quotas, peu importe la politique. Si on invite la femme à venir vraiment elle aussi à donner son point de vue, c'est ce qu'on dit, non Oui, ça rend service à la femme. Amma, qui parmi ces femmes-là Wofoya. wokayan bai haikan seno ini dangine wokayan bai kan boryan maga seno igoga kombate wokayan bai kan boryan kan wahal kauye kauye ra kan manti sanda bore kan koi lakwal wo kayan bai kan mantin gai kagan wa ga bisa seno inidan inino ko tadin to borai din no salairan service amma nin waibor nin ka kin kel waibora doro bai ini shwazir ini san bugin bora ina ne ni ga nin no ga ga ka jamara nin no ga ka gane ha a waiborai imte ise ya kine alor ka ni ga bai kan hayadin sinafa niska gor ni birara ka gane ni mu deside ni man koi kau yara ni man koi teren wobon koi ne go wai borega za'idu masai kainfo idirgan banda haikante ta bode bare ke yanni ga kasi na wadin wo munan da mizu kulno amma wai bore wana ga gyasi zama komba wa kirgote halga kasan wai bore mu duga tunga kai ngai bonse ngai bonse no irgo kombate du wai bore mo ye gane ngai mo ga fur bore din wana i wani fundi bayora manga ni daga di kwai da gina Vous écoutez toujours tous à la fada, nous sommes au rond-point Gadfawa, Nodini, Yantala, Kurara. nankan ko ir koydir fa karade guiné san nyongo kirgo wa botu ngono kati comment les jeunes filles mènent leur lutte wodi maga se bore kan ir gon ga fa karida ir maimuna garba onna wasila ibrahim et rashida ir koy dira fakara da gina halakka son son waran di tanga modin kan aran gona te safa gona ga te mosan guwal wal matana a gona te da aran do hara ir go anga rashida aha to eh ai sabu hankali bai mi tonton dai kiti aran di ko ta o de sha kan gono jin barai ban ti gono goidano ino no dai no irte irin duga wata wadangai wani sarai no inu ga inara inara nukkan dino ya o oh, tira tirai gono bo hmm. amma isi gwede me haifono irni competence wir competence sai guna zam ina ine suban yannu jin bora an gano suban bare kin yin gwaida an gouvernement wara wala to wo guna wai bora kan ga muradu ti kan ga yin ga goyote ne dirne ma sambu la plupart du temps way bare kan gi arranger ni gi sambu alors que ir wo sohon wa kan ir ga bara way bore kan gonda hina bora de bera aga hin go me ami murado te ima sambu nga to voilà maimouna à votre avis est-ce que le féminisme a de beaux jours devant tel au Niger e, aga hawga duwa iro kel goga espoir gay zama masale no goga bagum soho iba imam ba kalim kagne to so ina irum we bore hansi ir kulno bagene kan hun kun windu kul kan hansi we borno kay te bor indura ay signal bor se contribuer fa mais windo de ra borno gono mais je sais que le jour viendra kigini a ah, irman bai kan wiza yakin ni mila matkan ni dai son droit de travail kigini wala wato haligudu haligudu congé dini da ma appliquer no tangan bambaton wate kenan manki kansa irwo son bore sig hanganar sanar binai gisara wal ne ha ah, irwo son sin continue abda luto continue zamir bane kan suran tuwa ga zama da yin hanfu da irko ba hanodin goka to irko da mirce ba hanodin ne son irginaran mahangan irwana music kan sogate boy boraisi Nouvelle chronique dans la FADA de ce soir. Oui, chaque FADA avec sa chronique. Et ce soir, d'ailleurs, nous allons parler des leçons de vie que nous pouvons tirer de cette compétition en cours sur le continent, la Coupe d'Afrique des Nations. Amis auditeurs et auditrices, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, ce n'est pas seulement les victoires et les défaites des équipes présentes. La Cannes, c'est au-delà des matchs nuls, des prolongations et des pénalties. La canne c'est au-delà des coups de sifflet des arbitres. La canne c'est au-delà des cartons jaunes et des cartons rouges. Et c'est ce que l'activiste Nena a publié cette semaine sur sa page Facebook. Match Ghana-Comore de Cannes 2021, les 12 leçons de vie de Nena. C'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Première leçon pour commencer, l'ennui ne vient jamais seul. Le jour où ça va te mouiller, ça va te mouiller gravement de tous les côtés. La situation des Black Stars nous apprend aussi que si tu as un travail à faire, n'attends pas le dernier moment pour y mettre du sérieux. Commence tôt et mets le paquet. Il y a des jours où tu commenceras la journée comme un capitaine et tu la termineras comme un spectateur dans les gradins. Ben, ainsi va la vie. André Ayo, capitaine de Black star qui sort sur un carton rouge. Encore une leçon. André n'est pas un garçon méchant, mais son carton rouge est là. Parfois, les circonstances que tu ne peux pas contrôler vont t'attirer des ennuis. Parfois, ton désir de faire bien va mal tourner. Et ça, on le paye au prix fort. Alors, amis auditeurs et auditrices, restons focus c'est une leçon de cette canne. Tu peux être champion mille fois, mille fois tu seras applaudi jusqu'au jour où tu perds. Et cette seule défaite peut effacer le goût de mille victoires. L'histoire ne se souvient que du vainqueur, dit-on souvent. Dernière leçon, quand tu donnes le meilleur de toi, tu peux perdre la bataille, mais gagner la guerre. Enfin, cette situation nous rappelle que dans toutes nos acquisitions, il nous faut un bien très précieux, la capacité à marcher seul. C'est comme cela que je vous annonce la fin de la chronique de ce soir. D'ici là, chers amis, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous. Surtout, force, énergie, courage, paix, lumière, amour sur vous. One Love. Bye bye. Olivier, on te remercie. Songo irka irwana, hunkuna, fakara wana, banantaga wasila, c'est quoi le féminisme arantanga moya menda menda. Kulu, nima conclure se anemo irgo

Le thème d'aujourd'hui est comment les jeunes filles mènent leur lutte. Irgaram Fondogoy, Irwan Fakare, Irkomin Chabe, Hanzangon continue. Merci.